là parce que les miroirs wax quand même c'est extrêmement grave peut-être. Ah, bien sûr nous ñu déjà remercier Wagam Gëm d'avoir très tôt soulevé cette affaire là. Mm. donc ils ont soulevé un lièvre ils ont soulevé un lièvre et japp na ni euh xeyna ñom dañoo yegg ci remplissage par qui bi ñun commencé guñ parrainage donc forcément li qui ci kii beeg on n'a pas encore ce temps mais donc ñoom ñu nekk des précurseurs c'est à leur crédit il faut ñu. mais nous jëloon le yi ba beaucoup. am na ñu jël fiche yi ñoom Guy Marius non maa ngi ñëw ci loolu. non da nga ne kiiwu leen moo bonne question xam nga xam nga déjà ce qu'il faut dire pourquoi il y a plus de 200 candidats loolu c'est un échec de Macky Sall dafa tellement dévaluer la fonction présidentielle que n'importe quel kidam pense qu'il fera mieux que lui gis élection présidentielle il y a nit ñi dem di sans parrainage ça. même sans parrainage 17 18 candidats lañ même Guy marie 17 18 candidats. mais en a tax. yéen vous avez. ñu dem ba nga son gouvernement ils ont tellement dévalué dépossédé désossé la fonction présidentielle dindi bi ci la solennité bi mu àndaloon la n'importe qui se pense plus légitime pour lui succéder Je vais remplacer un ministres c'est déjà cet échec là qu'il faut qu'il faut soulever quant à l'histoire du fichier DGE on comprend maintenant dans son euh, rôle bi jouer dans l'affaire de la radiation xam euh, Amadou nga mm-hmm. un fait la DGE. pour un jàmm dong mm-hmm. et pour doon erreur comme nous connaissons. ñenn ñi bi ñu bi ñu leen joxee suñu clé ñu defar ko DGE dafa waroon def communiqué. bien sûr ne képp ku fi jëloon fiche. na nga ñëwaat wala nga jël fi clé. delloo si ko. Mhm. am na njuumte. ñu defaraat mais defuñu loolu de. on appelle Guèye l'original à 6 h du matin. ne ko non yow waro won yóbbu affaire bi ci presse bi réglé nañ sa problème. demal nga tok. posture boobu mo xawa a mo xawa xaw jaaxal nit ñi d'ailleurs ñun ñun le processus électoral. fi mu ne nii hein. hmm? loolu moom moo ko wax. mais Guèye kilifa la.

ba léegi démentir ça pour démentir Guèye l'original mhm. pourquoi ñu bëgg ko non la wax DG ci Sénégal euh, administration li ma la hein. non mais loolu moo dul débat sax c'est pas ça qui est important gis nga gis nga DG important mooy ngeen dajaloo yéen ñi comme ni nga ko waxee léegi mhm. ngeen dem xool mbir yi déggoo ci ci kat yéen woote bi ngeen woote waa waa Pastef dem ci waa taxawu dem ci ñëpp dem ci loolu nee naa la la prochaine étape c'est pour tout le monde de hein. l'opposition et certainement que sori nañ ci sax c'est contrôler le fichier électorale. L'heure est à l'urgence. Bon, xamante mal maa Donc, il y' a pas de souci pour ça parce que nit ne sont pas dupes ku jàpp ni Macky Sall dina bàyyi candidat vraiment c'est que da donc opposition bi vont se réunir autour de cette question. non ça c'est évident effectivement ça c'est évident. Comment c'est là? au sein du F24. kii di wax am am gis nga Macky Sall su amul woon problème mu parrainage du dem signer loo député yëpp ni leen signé leen vous gardez votre parrainage pour Amadou Un problème problème du leen signéloo maanaam t'as pas besoin ngay signéloo nit ñi pour corseter Il y yéen a un wuti woon vingt député. maa ngi maa ngi ñëw rek ci yow. pour deux deux candidats. xam nga e, xam nga l'affaire de la radiation. alors dafa am ça j'étais pas au courant. dafa ah, am ils sont allés voir euh, Ahmed Aïdara pour avoir un euh, 26 sixième député. Ah, xam nga Bo, bo, ils sont tous pareils. Arrêtez vos cacheteries là. non, laissez-le terminer. mais c'est pas grave. Non, mais vraiment. Laissez-le terminer. maa ngi dama expliquer. le de la non ça c'est pas grave. mu nekk lu doy war ñu poser ci nga bañ. ci tu sais dinga répondre même répondre. mais yow yow non ñew rek. nga obligé man répondre. c'est-à-dire Ce double casquette bi nga bëgg sur le plateau boy vous Ousmane Sonko. c'est le politicien qui parle suñ la lajé ci walu droit nga ni l'avocat et ses réserves Munu

man rajew nga dem ci DGE mu ne la man rajew ana acte de radiation ñu ne la gisuñu ko. on a juste informé Ousmane Il y' a une notification ou pas qui est arrivé euh, bu def ben aller retour. ma ma xaaral ma dama ni la. acte de radiation xam nga acte article L40 dafa ni. un électeur radié ça doit être une décision motivée et dûment notifiée.

non non préfet préfet le préfet vous informe que les autorités que l'autorité administrative ministre DGE wala DAF le mm-hmm. votre le votre vous êtes l'autorité administrative vous mm-hmm. informe que vous êtes retiré des listes vous informe que vous êtes retiré des listes mais accompagné encore acte matériel vous nous mën acte physique monsieur Ousmane Sonko vous avez été radié des listes après motivé vous comme ni ko L40 l'acte de radiation est inexistant te un cas Vous nous soulever pour nous rejeter parce que agent judiciaire dafani mais le juge mhm. Ousmane Sonko amul acte de radiation il y' a aucun acte qui lui fait grief L'acte du préfet là ce n'est pas un acte c'est un acte d'information. Ce n'est pas un acte qui fait grief ils ont fait la distinction entre les actes de l'administration et les actes administratifs. Nicolas, ce n'est pas un acte administratif qui fait grève. C'est une lettre d'information. Moi, dans le CN affaire c'est carabiné. Les DGE, pourquoi nous cette posture-là Ousmane Sonko, il a un pool d'avocats, un juriste. On a signifié l'ordonnance à la DAF. D'abord, Pour votre information. DAF, mon pas décharger. L'article L47 3 l'ordonnance euh, euh, mais qui rappelé ça c'est exécutoire par provision 72 2 <coughs> loi organique cour suprême parmi les cas de recours suspensif 4 cas utilité publique expulsion d'étrangers hmm. élection des euh, conseillers Acte extradition cité outil ci L'ordre Mhm. Pourquoi la DAF, la DGE, dans le communiqué, j'attends une décision de réintégration officielle de la DAF. Ils ont parlé de pourvoi. Dafani, l'administration d'Afadef pourvoi. vous pourvoi à Donc la DGE est un acteur politique aujourd'hui. Nous mhm. continuons continuer à jouer cette double casquette. Parce que neutralité, administration, moi la garantie minimale, comme que vous avez refusé la création d'une autorité euh, indépendante. La Sénat autonome Mais le Sénat, est-ce que le Sénat a ben processus la Sénat Nous saisir parce qu'on sait qu'il a des pouvoirs. Saisir DGE ni man duma la jox ay fiche fondement yi ça fait peur aux gens mais l'autre élément vous montrer quand même une peur de Ousmane Sonko xam le régime vous avez ba opposant et vous faites des actes tellement bizarres Il y a un acte de révocation méthode bi ngeen de révoquer le juge. non mais là est-ce qu'il s'agit seulement de Ousmane Sonko parce que euh, vous faites que nous euh, euh, Gëm sa par rapport justement à ces parrainages. non c'est un problème global. Nous, dañ koy jël. bi nous ma ma mais révoquer euh, un juge à l'audience est-ce qu'on peut révoquer un juge à l'audience récuser un juge à l'audience ah bah, vous pose une question c'est pas à vous poser continuez développez juste il est mourant il fait le semblant c'est un manipulateur mais pour la droit avocat ni donc un juge récuser un magistrat à l'audience Donc, et après on a vu ce qui s'est passé vous avez envoyé Pape Alénia à révélé pour nous inspecter mhm. les juges qui ont condamné Ousmane je dis le discrédit sur les institutions ces procédés-là d'intimidation. Pourquoi Parce que quand, après une décision favorable à Ousmane Sonko, vous envoyez une mission d'inspection, alors que niveau condamné on a tous vu, pareil, ils sont devenus chefs de juridiction, voilà, chef de, qui On a des doutes légitimes pour dire que nous, promotion et c'est parce qu'ils ont condamné Ousmane Sonko. Cette mission de l'IGAS là, Très bien. Chez le juge Sébastien, mm -hmm. est mm citoyen, une fois qu'un juge li droit Ousmane Sonko on lui envoie on le menace de récusation parewul ngeen y a ko commission. d'accord dans quel but de le sanctionner. mais ñi nga condamné Ousmane Sonko. Mhm. qui se sont retrouvés chefs de juridiction. Mhm. Euh, cour d'appel et dans toutes les juridictions. Mhm. ñoom ñu très bien alors non mais pourquoi cette mission est dangereuse. mais quand on a dit kon nous félicite, féliciter. le juge Sabassi là. juge Sabassi il a rendu une décision favorable.